le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du forum du le forum forum Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, c'est l'heure de votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le forum d'aujourd'hui est consacré euh, à la marche pour le climat au Niger, bilan et portée de la marche. Pourquoi une marche pour le climat Quelles sont les grandes préoccupations du Niger en matière de protection de l'environnement ou de changement climatique Quel bilan tirer de la marche pour le climat organisée samedi dernier Ce sont là entre autres questions auxquelles le forum apportera des réponses. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Sani Idirabi, jeune scout du Niger, Mahamadou Awal, membre de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, et Alio Hassan Samna, vice-coordinateur de l'International de l'éducation section du Niger, ISN et à la présentation à Alassane Kouzi Mohamed. Bienvenue à tous dans le forum de ce soir qui a pour thème la marche pour le climat au Niger, bilan et portée de la marche. À l'instar de nombreux pays du monde, le Niger n'est pas resté en marche des marches pour le climat. Samedi 28 septembre 2019 passé, des centaines de personnes ont marché à Niamey, capitale nigérienne, à l'appel des organisations de la société civile qui militent en faveur de l'environnement. Cette marche a été organisée pendant que se tenait à New York aux États-Unis le sommet sur le climat aux Nations Unies. Parmi les organisateurs de cette marche figurent l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, les jeunes scouts du Niger et le regroupement appelé intersyndical de l'éducation, section du Niger. Cette marche pour le climat est le pont culminant d'une semaine d'action pour le climat, partie du 20 au 27 septembre 2019 et ont pris part à cette semaine pour le climat les syndicats d'enseignants membres de l'ISNI, l'International de l'éducation section du Niger. Comme annoncé en début d'émission, nous avons avec nous aujourd'hui le vice-coordinateur de l'ISNI, la personne de Alio Hassan Samna. Monsieur Alio Hassan Samna, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'international euh, de l'éducation section du Niger Qu'est-ce que c'est cette structure et quels sont ses membres Bien, merci. Sur le plan international, il y a donc un grand regroupement, le plus grand regroupement mondial des syndicats d'enseignants appelé l'International de l'éducation. Euh, ce regroupement a également des représentations dans tous les pays. Au Niger, l'International de l'éducation est représenté par cinq, syndicats, le SINEN, le SNEP, le SINATREB, le SINAFEN et le SANTEN. Ces cinq syndicats euh, constituent le syndicat de l'International de l'éducation et ils forment ce qu'on appelle l'IESINI, L'ISINI, c'est donc euh, euh, l'international de l'éducation section du Niger. Nous avons vu euh, que l'ISINI dont vous avez parlé, donc l'international de l'éducation section du Niger, était impliqué. Beaucoup de gens se posent la question, quel est cet intérêt soudain Bien, merci. vous savez, la plus grande organisation mondiale des enseignants, à savoir l'international de l'éducation, fonctionne sur la base des principes et le principe, c'est créer les conditions euh, pour que les enseignants euh, puissent exercer, exercer convenablement dans des conditions favorables et pouvoir œuvrer pour l'éducation de qualité et l'éducation pour tous. L'international de l'éducation, euh, en dehors des revendications que vous connaissez, a décidé au cours donc de son dernier congrès tenu donc en Thaïlande il y a de, cela juste euh, deux mois, euh, décidé donc d'examiner également un certain nombre de thématiques et euh, qui constituent vraiment des, priorités pour l'international puisque c'est des fléaux, c'est des problèmes qui ont un impact sur la qualité de l'enseignement et puisque cela agit sur les conditions de vie et de travail donc des enseignants. au niveau donc de ce dernier congrès effectivement, euh, deux recommandations fortes ont été euh, faites par le Congrès euh, qui concernent le changement climatique. Et étant donné que l'international de l'éducation a instruit ses syndicats pour que, en dehors donc de des revendications classiques, devrait également pour l'amélioration du, du, milieu de vie donc des enseignants. Et nous estimons que si l'international avait pris cette recommandation, euh, c'est pour que euh, les uns et les autres, les enseignants surtout, euh, puissent travailler dans le sens de sensibiliser, d'informer nos collègues enseignants et également toute la population. Vous savez que les enseignants sont de façon permanente en contact avec la population. Alors agir pour le climat, cela sous-entend et que c'est agir pour la population, c'est agir pour les enseignants, c'est agir pour les enfants, c'est agir donc pour les êtres humains. C'est cela qui, eh, comme vous l'avez dit, a amené les syndicats, l'international de l'éducation, section du Niger, Yesini, a mené deux grandes activités pendant la semaine mondiale euh, de, contre le changement climatique. Euh, cette semaine, c'était du 20 au 27. Et pour cette période, l'ISNI, l'International de l'éducation section du Niger, a effectivement euh, et a, mené deux grandes activités. Lesquelles pouvez-vous nous dire, rappeler euh, ces, grandes activités Bien, euh, merci beaucoup. La première activité, c'est de dire d'abord que nous avons, nous avons fait <coughs> une conférence débat. Nous avons estimé que d'abord, il faut rappeler aux uns et aux autres. Et pourquoi le changement climatique est devenu un problème euh, Pourquoi nous, en tant qu'enseignants, nous devrons euh, nous intéresser à ces fléaux, puisqu'il n'y a pas mieux que l'enseignant euh, pour pouvoir lutter contre un fléau lorsqu'il se pose. Et nous avons dit que, en dehors de cette conférence, débat que nous avons eu à, à alors nous avons également participé à la marche donc pour le contre le changement climatique. L'international de l'éducation estime que tout changement de comportement peut passer par les enseignants. Mm. Et le changement climatique aujourd'hui est un problème. Vous voyez le cas du Niger. Nous, nous assistons eh, plus souvent à, à, à, des inondations. Mm. Vous voyez le fleuve qui déborde et qui souvent on retrouve les habitations. à Agadez, il suffit qu'il y ait une petite pluie, une région qui n'est pas habituée à la pluie, vous voyez, c'est des dégâts. Donc, euh, et également, vous voyez la chaleur que nous vivons, que nous vivons de temps en temps. Tout cela est dû donc vraiment à la destruction de l'ozone, de la couche d'ozone, et par euh, euh, ce que vous connaissez. Et donc, du coup, vous, à partir déjà de ces éléments, vous dites que ce n'est plus un mythe, les changements climatiques. Oui, pour nous, le changement climatique, c'est pas, c'est pas un mythe. Il ne faut pas que les gens essaient de se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas croire ben, pour dire que non, on raconte seulement. Non, c'est réel chez nous. Nous avons pris conscience. Et nous avons dit au niveau, donc, de l'international éducation, étant donné que nous que c'est une réalité, que ce problème est là, il il est vraiment palpable. Alors, il faut aller dans le sens d'abord de sensibiliser, d'informer, donc euh, l'ensemble des enseignants. Et étant donné que les enseignants vivent dans tous les milieux, alors nous estimons que il y aura un changement donc euh, de comportement et d'attitude. Chacun va œuvrer ensemble, on va voir comment minimiser cet effet pour que euh, les générations futures puissent trouver vraiment une atmosphère vivable. Mm. Ah, vous avez aussi participé à la, à la marche pour le climat du samedi 28 septembre. Mais écoutez, vous voyez, vous voyez, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu les, les éléments, que vraiment nous puissions trouver des organisations qui sont également euh, engagées euh, organisations également comme la nôtre, l'ISNI, où nous avons pris conscience, où nous avons dit, mais écoutez, nous, il ne s'agit pas seulement de sortir pour faire une déclaration. Si nous avons fait le débat pour informer, sensibiliser nos militants, nous avons dit également, il faut donc créer un choc vers les décideurs en sortant de façon donc vraiment euh, à attirer leur attention par rapport à ce problème fondamental. Alors c'est cela qui avait créé cette marche. Mm. Et vous avez vu, pour nous, euh, nous étions totalement satisfaits au niveau de l'ESMI puisque, euh, au puisque moi, partout où euh, nous, traversons le petit axe que nous avons pris, mm. les gens se posaient la question, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils réclament mm. Et regardez, c'est des enseignants, mais les enseignants, qu'est-ce qu'ils veulent Et les gens, donc, alors commencent à, comprendre, hein. voilà, à s'interroger, puis à comprendre qu'il ah, y a un problème. En dehors des de, des enseignants que vous connaissez, il y a un problème qui concerne toute la population pour lesquelles les enseignants sont en train donc vraiment euh, de mobiliser l'ensemble de la population et les gens du coup disent que ah là c'est important et les gens commencent à se poser la question mais c'est bien des syndicats d'enseignants c'est des enseignants qui font ça et nous disons oui c'est les enseignants et les enseignants peuvent œuvrer pour un monde meilleur et nous allons œuvrer pour un monde meilleur et nous sommes en train d'œuvrer pour un monde meilleur. Alors parce qu'on on, on sait que de plus en plus les experts en tout cas expliquent que le changement climatique en tout cas ces, euh, derniers, ces dernières années est accéléré justement par l'effet de l'homme l'homme est en, grande partie responsable de, ces, dérèglements climatiques, de ces réchauffements climatiques euh, par ses activités. Et donc, vous, au niveau des enseignants, euh, vous, euh, avec votre implication, à quoi peut-on s'attendre Est-ce qu'on s'attend à ce que, au niveau de, ces enfants qui, sont en train de grandir aujourd'hui, des valeurs morales, des valeurs sur l'importance la, de, de l'environnement vont être inculquées à partir de là. Mais oui, mais oui, parce que euh, je vous l'ai dit, euh, vous avez, je sais, vous n'avez pas pu participer effectivement à notre conférence. Mm. Euh, je vous ai quand même invité, mais dans tous les cas, mm. c'était extrêmement important pour nous parce que nous avons dit. Il ne s'agit pas simplement de dire que c'est un problème, mais il faut convaincre les gens à travers les faire les amener à comprendre que véritablement l'homme, comme tu l'as dit, est à la base. Et si l'homme est à la base aujourd'hui, nous, nous sommes à la base. Nous sommes en train de faire parce que nous n'avons pas compris. Si demain, les jeunes gens que nous sommes en train de former, parce que l'enseignant, eh, c'est vraiment, eh, disons, la machine centrale de tout changement véritable. Tout changement véritable passe par l'enseignant. Et nous avons estimé que eh, nous, qui encadrons les enseignants et les élèves, nous pouvons avoir donc l'occasion d'attirer leur attention par rapport à ça. Et au niveau de l'international de l'éducation section du Niger, il ne s'agit pas de cela, c'est également d'œuvrer pour que les programmes d'enseignement, parce que nous allons faire ces plaidoyers, parce que nous allons faire ces, nous allons mener ces actions vers les décideurs pour les amener à, ce que euh, les programmes d'enseignement puissent contenir ces aspects pour que les enfants puissent être édifiés, éclairés et ensemble nous pensons que euh, quand ils seront grands, ils comprendront le problème et ils feront mieux que nous ils, vont tout faire pour sauvegarder eh, eh, l'environnement. Le changement climatique que nous avons, nous, pour nous, c'est un désastre face auquel nous sommes en train d'aller. Certains diront que eh, ce sont les industriels, que ce sont les pays développés, mais même si ce sont les pays développés, les conséquences, quand ça tombe, ça tombe sur nous tous. C'est nous tous, chacun d'une façon ou d'une autre, donc contribue à cela. Donc nous estimons au niveau donc de l'international de l'éducation euh, que nous avons ce devoir et Isha nous allons lutter pour que au niveau au Niger en tout cas pour que le programme eh, puisse euh, euh, comporter cet aspect et que nos jeunes enfants, que nos jeunes gens eh, puissent avoir ces, ces, informations nécessaires cet enseignement indispensable qui leur permettront de se comporter demain en adulte et en protecteur donc du climat responsable effectivement. Est-ce que vous ne, vous ne craignez pas la résistance de certains certains euh, pour ce nouveau changement dans lequel il faut aller. Oui, oui, oui, c'est évident. Nous avons tenu compte de ça. Pour nous, au niveau de l'ESNI, euh, c'est les paramètres avec lesquels il faut, il faut, faut tenir compte. Parce que lorsque vous voulez mener une activité quelconque, il faut toujours créer, il faut toujours euh, aller après une analyse, ce que nous avons déjà eu à mm. faire. C'est d'abord de prévoir les chances de réussite, de, de, prévoir euh, les difficultés qu'on va rencontrer et de voir comment agir face à ces difficultés pour pouvoir les transformer. Donc vraiment à des conditions favorables. Et au niveau du LESNI, donc nous savons que on va, se retrouver face à certains décideurs politiques qui vont dire que non, c'est des histoires. On va se retrouver devant d'autres qui vont dire que, mais écoutez, nous, nous ne pouvons pas faire cela parce qu'au niveau des programmes, euh, ce sont déjà des programmes sous-chargés. Nous trouvons que d'autres qui diront que non, ce n'est pas important. Nous savons que, effectivement, nous allons faire face à des difficultés, mais nous sommes conscients au niveau de l'international de l'éducation sexuelle du Niger qu'il faut lutter et pour cela et nous sommes engagés donc dans ce combat. Le changement climatique est notre problème, c'est une, préoccupation. Nous allons, Inch'Allah, avec euh, l'international de l'éducation région Afrique et l'international de l'éducation mondiale œuvrer pour pouvoir euh, faire en sorte que euh, ce problème-là euh, puisse trouver des solutions. Nous passons à présent à nos deux autres invités, tous jeunes ayant participé à la marche pour le climat au Niger le 28 septembre dernier. Je commence par vous. Sani Idirabi, qui est membre de, l'association Scout du Niger. Rapidement, peut-être nous faire une petite présentation de, des Scouts du Niger. Bonjour à tous, moi c'est Rabi Sani Idi, comme il a dit, membre de l'association des scouts du Niger. Alors les scouts du Niger, c'est vraiment une association qui milite dans le cadre éducationnel. C'est un mouvement de jeunesse euh, sans distinction de race, d'ethnie, de religion et qui œuvre pour faire du jeune un citoyen actif, utile et heureux dans sa communauté. Merci. Monsieur Mohamed Awal, membre de JV, Jeune Volontaire pour l'Environnement une petite présentation de l'association également. Voilà, merci Monsieur Alassane. Euh, l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement est une association de jeunesse euh, qui a été créée en 2009 ici au Niger. Donc, euh, comme je l'ai dit, c'est une association de jeunes qui intervient sur les questions environnementales. Euh, notamment l'éducation environnementale à milieu scolaire, la préservation et la protection de la biodiversité, entre autres, euh, également euh, la promotion des énergies renouvelables. Alors, une marche pour le climat, une première au Niger, si on peut le dire. Pourquoi une marche pour le climat à ce moment précis Pourquoi une marche au Niger Comme vous l'avez dit en introduction, donc la semaine 2027 est consacrée à l'action climat euh, en tout cas, euh, le représentant des Nations Unies a appelé tous les chefs d'État à une euh, rencontre aux États-Unis. Donc, les organisations de la société civile ont profité de, en tout cas, de cet appel-là pour lancer un mouvement international euh, pendant cette période du 20 au 27. Donc dans plusieurs pays du monde, il y a eu des manifestations, euh, il y a eu des mobilisations. Hmm. Euh, nous ici au Niger, on n'est pas resté en marge de ces mouvements. Donc c'est pour ces raisons qui, en tout cas nous au Niger, nous avons appelé la jeunesse nigérienne à faire une grande mobilisation, hmm. à dénoncer, à informer la population sur l'urgence climatique, à appeler les décideurs politiques à adopter des politiques en faveur du climat et aussi interpeller le gouvernement par rapport à des, à des décisions qui ont été prises. Donc euh, voilà ce qui nous a poussé nous euh, pour euh, en tout cas organiser cette marche. Voilà exactement. Alors est-ce que cette marche a une quelconque partie politico-sociale Sociale oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, le Niger dépare euh, euh, départ même sa position géographique, en tout cas l'un des pays qui fait face aux défis du changement climatique ou disons aux conséquences négatives du changement climatique. Donc pour nous activistes environnementaux, il est important qu'on puisse tout d'abord informer la population sur les dégâts que les changements climatiques est en train de causer et aussi interpeller euh, les politiques. Parce que euh, le changement climatique, c'est la bataille de tous, euh, de tous les citoyens nigériens mais au niveau des politiques, il y a des responsabilités parce que ce sont ces politiques qui représentent le Niger à des conférences internationales. C'est eux qui prennent des décisions. C'est eux qui euh, prennent des décisions, exactement. Donc pour nous, il est important qu'on puisse les interpeller à prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, nous parlons de justice climatique. Le Niger, n'est pas euh, un, pays pollueur. L'Afrique en général, sa part de contribution à l'émission de gaz à effet de serre est moins de 5%. Mm. Et c'est l'Afrique qui subit les conséquences du réchauffement climatique. Donc pour nous, il est important que le Niger, que toute l'Afrique, euh, puisse parler d'une seule voix. Exactement pour, au niveau de la communauté internationale, pour revendiquer cette justice climatique. Donc il faut que les grandes puissances-là qui sont en train de polluer nous aident à nous adapter, nous aident à tenir les conséquences de ce changement climatique. Merci. Nous donnons la parole à Sani Idi Rabi. Rabi, vous avez participé également à cette marche pour le climat. Euh, je vais dire euh, l'association Scout du Niger pourquoi, en tout cas, les, scouts du Niger s'intéresseraient à, cette question du climat Alors, au-delà du scoutisme, je suis jeune et je suis étudiante. J'ai participé en tant que plein de jeunes pour pouvoir dénoncer ce qui se passe ici au Niger. je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a déjà dit, mais par exemple, moi, en tant qu'étudiante, quand j'emprunte le bus, je me retrouve à euh, emprunter le pont. Quand j'emprunte le pont, je me retrouve à regarder le fleuve. Je me dis, ah. Le, pont Kennedy, vous voulez dire. Oui, le pont Kennedy. Je me dis, le fleuve. Surtout en période de décrue, je me dis, ah, le fleuve, il y a un ensablement constant du fleuve, mais que faire? Les autorités n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Et c'est tout. C'est là où s'arrête mon engagement. Hmm. Aujourd'hui, en tant, que, en tant que scout, parce que nous œuvrons pour une intégrité de la nature, j'ai voulu avec tous les autres rejoindre ce mouvement pour vraiment dire que non, l'engagement ne s'arrête pas aux autorités, l'engagement va au-delà des autorités, l'engagement nous concerne tous. Mm. Et aujourd'hui, nous devons prendre les devants pour faire porter notre voix et dire que trop c'est trop, on ne peut pas. On peut pas continuer comme ça. Il faut agir et l'action, c'est maintenant, comme il a dit. Mm. Euh, justement, les changements climatiques, pour vous, est-ce mythe ou réalité Comment convaincre les sceptiques Parce qu'on sait que beaucoup de gens ne croient pas. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes convaincu que les changements climatiques, ça existe et que c'est bien vrai Ce n'est plus du domaine du mythe. Ce n'est pas du tout un mythe. Hmm. Je parle sous contrôle de l'espère ici présent. on va lui donner la tout. parole oui, On va lui donner la ah. parole pour qu'il puisse en parler, mais ce n'est pas du tout un mythe. Hmm. Ici, aujourd'hui au Niger, nous vivons les réalités du changement climatique. Beaucoup l'ont dit. En 3 août ici au Niger, combien d'années, combien d'années est-ce que nous avons fait sans recevoir une pluie? plutôt en recevant des pluies en 3 août. Hmm. Mais par contre, cette année, c'était vide. Il n'y avait pas de pluie en 3 août. Ça, c'est réellement une conséquence du changement climatique. Si vous voyez l'érosion, la, déforestation, tout ce qui va avec, ce sont les conséquences des changements climatiques. Les changements climatiques aujourd'hui, il faut qu'on arrête à un moment de se dire que c'est un mythe, c'est une réalité. Aujourd'hui, tout ce qui se passe et en septembre, on a eu des pluies. Mm. Pourquoi Parce qu'il y a une évolution, il y a un dérèglement du climat. Mm. Et là, nous, nous en payons les frais, comme il a dit. Parce que, parce que justement, les changements climatiques, c'est aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, souvent le décalage des saisons. Mhm. Euh, il y a des mois où euh, il pleuvait, maintenant de plus en plus ces mois ne sont plus ne reçoivent plus de, de, pluie c'est aussi une pluie qui est mal répartie dans l'espace et dans le temps il y a des zones qui sont qui reçoivent beaucoup de pluie et des zones qui sont en tout cas sèches c'est ça oui, le dérèglement climatique est vraiment, est vraiment, est vraiment réel. Et, c'est l'action de l'homme qui fait ça. Mm. Alors, il faut qu'on prenne les devants mm. le plus tôt possible. Bien. Alors, euh, peut-être un mot, euh, Awal, par rapport au, scepticisme de certaines personnes concernant le changement climatique. Mythe ou réalité Comment convaincre ces gens qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de, de grandes réflexions pour savoir que il y a bien quelque chose qui est en train de changer, qui a changé. Moi, je pense que qu'on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un à accepter quelque chose qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique, c'est des choses qu'on est en train de vivre. Au Niger, on prend les cas des saisons pluvieuses. Euh, je prends euh, l'exemple de cette année. La saison pluvieuse a commencé tardivement ici et surtout ici à Niamey, c'était vers début juillet que la saison pluvieuse a commencé. On est en début octobre, la saison est pratiquement finie. Donc on a eu juste deux mois de pluie. Prenons ces vagues de chaleur aujourd'hui. Tout ça, c'est des conséquences du changement climatique. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont là, qui sont évidentes. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un c'est vrai, le climat a toujours évolué depuis la nuit des temps. Il y a une évolution naturelle du climat. Personne ne peut nier ça. Mais avec l'homme, il y a une accélération qui ne son nom. Euh, depuis l'ère industrielle, il y a une forte concentration de ces gaz à effet de serre euh, dans l'atmosphère. C'est ça qui a contribué au dérèglement climatique. Donc, il est important que les gens puissent prendre conscience. Le changement climatique, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se réveille un jour et qu'on se dise c'est trop tard, on ne peut rien faire. Donc, l'action, c'est toute suite. Et maintenant, il faut vraiment euh, qu'on se réveille pour commencer à agir. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire déjà quand s'il faut passer à l'action Qu'est-ce que déjà chacun individuellement peut faire et qu'est-ce que collectivement on peut faire Comme je l'ai dit, le, changement climatique, c'est une bataille de, tous. qu'on soit jeune, vieux, femme ou homme, on peut tous apporter notre part euh, pour faire face ou bien pour atténuer les effets du changement climatique. Euh, L'une des principales causes du, du changement climatique, c'est la déforestation aujourd'hui. On prend le cas du Niger. Combien de forêts sont détruites aujourd'hui pour construire des maisons. On veut chacun à son niveau peut planter un arbre et l'entretenir. Il faut aussi chaque, que chacun de ce côté réduise son, sa consommation d'énergie. Parce que c'est ce qui est aussi à l'origine du réchauffement climatique. Aujourd'hui, vous allez voir dans une famille euh, 5 à 6 véhicules et tous ces véhicules-là sont utilisés chaque jour. Donc il faut vraiment euh, aller dans l'économie des, euh, de, des biens de consommation. Ah, exactement. Au lieu d'utiliser les six véhicules, un seul véhicule peut suffire pour toute la famille. Donc il est vraiment important qu'on puisse adopter des comportements. C'est dans nos comportements, tout est là-bas. Et au-delà de ça, là, c'est la sensibilisation. Parce que c'est l'ignorance qui fait en sorte qu'on est en train de faire certains comportements. Donc nous, la marche qu'on avait Organiser, d'un côté, c'est pour informer et sensibiliser la population aussi sur nos comportements qui peuvent être fatals pour nous. Donc, il est vraiment euh, euh, urgent d'agir euh, face à ces phénomènes-là qui est irréversible. Alors, par rapport aux scouts, concernant les scouts du Niger, quel est le message phare qu'on peut recevoir par rapport à cette action qui doit être immédiate alors, au niveau des scouts du Niger, nous sommes inquiets face à ce qui se passe au Niger et dans le pays et dans tout le monde entier. Hmm. Il nous faut prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques, comme le dit l'objectif de développement durable 13. Et c'est vraiment ce, le message phare des scouts, c'est que nous voulons agir et nous agirons. Nous, avons une planète à sauver et nous allons nous y mettre. Hmm. Mais alors, pour la première fois, on a vu aussi que lors de, cette marche pour le climat, euh, des enseignants qui se sont intéressés à la question, qui ont pris part à, cette, cet événement, euh, comment expliquer cela, Mamadou Awal? Quel changement peut-on s'attendre avec l'implication des enseignants de la lutte contre les changements euh, climatiques Tout d'abord, j'aimerais vraiment saluer la participation du, du syndicat des enseignants du Niger à cette grande manifestation. Mm. Euh, les questions environnementales, c'est des questions d'éthique. Aujourd'hui, pourquoi euh, nous étions en tout cas très contents d'avoir ces enseignants avec nous parce que depuis un certain moment, nous sommes en train de faire une lutte pour, euh, en tout cas, l'insertion, ben, l'instauration dans le curricula scolaire de l'éducation environnementale. Aujourd'hui, ces jeunes-là, quand ils vont grandir avec cet esprit de préservation de l'environnement, cet esprit de protéger la nature, donc c'est avec ça ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, ils seront des citoyens modèles. Euh, Promis euh, par le scout du eh, eh, Exactement. Donc euh, peut-être nous, notre génération, n'a pas grandi avec cet esprit de préservation pour, de l'environnement. Pour nous, la nature, elle est là, elle se renouvelle elle-même, alors que c'est pas le cas. Donc pour ces jeunes-là, si on leur inculque cette déjà à euh, bas âge, à, bas âge donc ils vont grandir avec ça. Euh, c'est vraiment un espoir pour les pays, pour tout un continent aujourd'hui de voir des jeunes qui vont grandir avec un esprit de préserver notre environnement. C'est l'espoir que vous voyez dans la participation de ces enseignants eh, eh, eh, qui peuvent porter ces messages. Euh, en tout cas, nous euh, prêtons beaucoup d'espoir à la participation des enseignants, euh, même si on n'arrive pas euh, insérer ce, cette éducation environnementale en milieu scolaire, nous, au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis 2012. Mm. Donc, on a dans les différentes écoles des clubs qu'on appelle les clubs verts, mm. c'est des jeunes avec qui nous travaillons. Nous essayons de les inculquer les bons comportements pour protéger la nature. Mm. Nous les apprenons à être des bons modèles et des citoyens modèles, en tout cas des citoyens qui seront souciés de la protection de l'environnement. Alors, oui. Et Sani Idirabi, mm. quel, est votre commentaire par rapport à ces enseignants qui ont pris part à cette marche pour la première fois, qui embrassent la cause euh, du climat, la cause de l'environnement Je rejoins le point de vue de Mahmoud Awal parce que c'est comme il l'a dit, les jeunes sont la base. Je saluerai aussi, comme il a dit, l'engagement des euh, du syndicat des enseignants du Niger. Pourquoi Parce que aujourd'hui, si j'enlève ma robe de scout, Mm. j'enlève celle de, euh, j'endosse plutôt celle d'un citoyen lambda. Mm-hmm. Aujourd'hui, en tant que jeune, je suis encore sur les bancs. Mm. Si un enseignant me donne la base dès le début pour savoir, je ne sais pas, franchement, sans le scoutisme, je ne saurais même pas qu'il y a un engagement environnemental qui est lancé, qui, serait une, euh, un, grand activisme à ce point qui est lancé partout dans le monde. Alors que si tu l'aurais appris à l'école, ça aurait été encore mieux. Oui, sans le scoutisme dans ma vie, j'aurais été qu'à l'école. J'aurais eu que l'éducation normale. Et, à travers cette éducation, ce sera l'enseignant qui est censé me donner mm. cette éducation environnementale. Mm. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de connaître le scoutisme, mais qu'en est-il de ces milliers d'enfants qui sont là mm. Il faut qu'ils apprennent aussi ce que c'est que l'éducation environnementale qui commence à apprendre les bonnes pratiques et les bonnes manières pour vivre dans la société, pour pouvoir vraiment lutter contre tout ce qu'on observe comme des règlements climatiques. Parce qu'il faut qu'on ait, euh, qu'il y ait plus de personnes qui sont conscientes du, du danger, qui sont conscientes des avantages à, à, protéger l'environnement que de, que peu de personnes. Oui, exactement. Bien. Alors, euh, la question que j'ai envie de poser à, à, tous les deux, quelles sont aujourd'hui les grandes préoccupations pour le cas du Niger en matière de protection de l'environnement euh, ou des changements climatiques On a vu que lors de, de cette marche, des questions. Vous avez évoqué, hein, Mahmoud Awal avait évoqué euh, cette revendication, notamment la justice climatique. Euh, il y avait aussi euh, l'inaction des décideurs politiques qui, qui a été soulevée. Quelles sont les grandes préoccupations pour le cas du Niger qu'on peut aujourd'hui soulever vous savez, en, début de ce 21e siècle, le Niger fait face à euh, beaucoup de défis euh, d'ordre environnementaux. Mhm. Euh, vous avez parlé de la déforestation qui ne cesse de gagner de l'ampleur. Il y a la question de la désertification qui est là aussi depuis les années 70. Le désert ne fait qu'avancer qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est vrai du côté du gouvernement, beaucoup de politiques ont été adoptées, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui est en train de se faire il y a la question de, de, la pollution, notamment l'utilisation des sachets plastiques. Euh, il y a une loi qui interdit la commercialisation, l'utilisation. L'import, le, le, transport, la commercialisation et même l'utilisation. Exactement. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette loi-là En tout cas, de mon point de vue, rien n'est fait parce qu'aujourd'hui, les sachets, les sachets plastiques continuent d'envahir la ville de Niamey, euh, le Niger entier. Euh, il y a la question aujourd'hui euh, de l'ensablement, de la pollution du fleuve Niger, ce qui avait été noté tout à l'heure par. Euh, eh, exactement. Par euh, eh, ça, fait chaud au cœur de, de voir le fleuve Niger aujourd'hui. Maintenant, si nous, on laisse regarder ce fleuve Niger disparaître, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants Qu'est-ce qu'on va dire aux générations futures Moi, je pense que notre génération a une responsabilité. On a quand même ce devoir de laisser l'environnement ou bien le Niger comme on l'a trouvé aux générations futures. Sinon, meilleur sinon meilleur, c'est ce qu'on espère. Mais si on ne peut pas faire meilleur, c'est de laisser le Niger tel qu'on l'a trouvé aux générations qui vont venir. Donc, euh, par, rapport aux préoccupations, euh, je me dis, on était à Paris en 2015. Pour la première fois, il y a eu un accord historique. Mm. L'accord a été signé. On est en 2019. Bientôt, il y aura la COP 25. Jusqu'à présent, rien n'a été Alors fait. Alors que euh, l'accord de Paris prévoit en tout cas un certain nombre de d'actions qui, si elles, ont été mises en œuvre comme, comme prévu, aurait peut-être permis, même si ça ne règle pas tout à fait le problème, en tout cas d'approcher, de, de, participer à la réduction justement des gaz à effet de serre. E, exactement. Et de maintenir le réchauffement. Euh, en tout cas, dans nos messages, il y a un message fort qui est là, de trop parler, agissez. JC on a eu trop de conférences, on a vu trop de discours. Et chaque année, il y a des hein, et, on parle. Chaque année, c'est des COP. Après la Coupe 21, la COP 22 de Marrakech, les gens avaient, la société civile avait beaucoup d'espoir. Comme on se disait, c'était la Coupe de l'action. Mais très malheureusement, c'était pas le cas. Aujourd'hui, on va avoir la COP 25. Donc nous, il est vraiment important pour nous que nos dirigeants, que tous les pays africains puissent partir d'une seule voie mm. pour réclamer la justice climatique. Nous tous, tout ce qu'on demande, parce que nous, pays en développement, on n'a pas les moyens de faire face au, réchauffement climatique. Donc on a besoin de l'aide de ces grandes puissances-là. Il y a une, autre question aussi qui était revenue, euh, c'est notamment la préservation de l'espèce des, des euh, espèces animales. Euh, exactement. Euh, Notamment au Niger, il y, a, une actualité euh, brûlante, celle de celle de, la réserve, naturelle, réserve naturelle des termites et Tintouma. Exactement. Dans nos messages aussi, cette question est revenue, la question de la, du déclassement de la plus grande réserve terrestre d'Afrique, qui est la réserve nationale de Termite et euh, qui, vous le savez, en juin dernier, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de, déclasser une partie de la réserve naturelle au profit de l'exploitation Du, pétrole. Euh, nous ne sommes pas contre l'exploitation du pétrole mais il est important qu'on puisse mettre en place des mesures environnementales pour préserver ces espèces-là. Parce que dans cette réserve naturelle, il y a des espèces qui sont en, voie de disparition, en voie d'extinction. C'est des espèces qu'on ne retrouve nulle part qu'au Niger. Notamment les ADAS notamment les ADAX. Mm. Exactement. Donc pour nous activistes, on ne peut pas rester comme ça, regarder cette société étrangère venir détruire notre biodiversité. Mm. Donc c'est pour ça on est en train d'interpeller le gouvernement. On a même lancé une pétition en ligne qui aujourd'hui a plus de 45 000 signataires. Donc c'est vraiment un point qui nous intéresse, qu'on est en train de suivre de près pour que cette réserve naturelle puisse être préservée au profit de l'exploitation du pétrole. Alors, euh, alors Sani Idirab quelles sont aujourd'hui, vous, vos attentes par rapport, en tout cas, à tous ces mouvements, notamment ce mouvement qui a été organisé Vous espérez quoi à la suite alors, ce qu'on espère, c'est que vraiment nos actions ne soient pas vaines, que cette marche que l'on a faite le samedi dernier ne soit pas une action vaine, que les gens puissent comprendre qu'il faut agir. Trop c'est trop, il faut agir. Les grandes industries, les grandes nations nous vendent du rêve. Ils nous font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. On en a marre, on peut pas, on mm. peut pas, on peut pas. Il faut agir. Mm. Mohamed Awal avait souligné euh, un certain nombre de préoccupations euh, pour le cas du Niger, notamment la prolifération des sachets plastiques, la déforestation qui accélère la désertification, sans entrer trop en détail et revenir sur tout ce qu'il a dit, effectivement, il y a quatre points principaux dans le cas du Niger. C'est vraiment la déforestation, la désertification, la pollution et les inondations. Les Niger ne, font, ne doivent faire face qu'à ce type de catastrophes à chaque moment et il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut qu'on se, qu'on mette, qu'on se prenne les mesures nécessaires pour pouvoir au moins endiguer ou lutter contre. Bien. Mahmoud si aujourd'hui on vous demandait de tirer le bilan, quel est le bilan, le bilan que vous tirez Est-ce que vos attentes ont été satisfaites En termes de bilan, moi je dirais que le bilan est positif. Euh, quand, on, prend aussi euh, la participation, euh, elle a été vraiment massive. Donc on a pu en tout cas mobiliser plus de 500 jeunes. Pas que des jeunes. Il y a eu des mamans, des papas qui étaient avec nous. Donc pour nous, c'est déjà euh, quelque chose de gagné, le fait de mobiliser plus de 500 jeunes. Euh, avec cette chaleur qu'il fait, mm. euh, marcher, c'est pas 200, 300 mètres, euh, comme ça. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi. de l'autre côté, il y a une prise de conscience. Mm. parce que juste après la marche, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés pour nous féliciter, pour nous dire qu'ils savaient pas que le changement climatique, c'est tout ça. Parce qu'à travers nos messages, on a profité pour sensibiliser ceux qui ne savent pas c'est quoi le changement climatique, ceux qui se posent des questions c'est quoi le changement climatique. Donc à travers nos pancartes, on a essayé d'apporter des réponses par rapport à ça. Euh, du côté média aussi, on a en tout cas pu avoir beaucoup de médias, donc ce qui va nous faire une large couverture. Donc c'est cette manifestation, nous on espère que ça soit... Et, il y avait aussi beaucoup d'organisations de, de la société civile exactement, c'est ça qui fait même, euh, en tout cas, cette réussite, la réussite de cette marche. Euh, on est une vingtaine d'organisations euh, qu'on ne peut pas tout citer. et en tout cas, nous remercions les scouts qui ont fait, en tout cas, une très grande mobilisation. Mm. Euh, il y a l'ONG Save Environment et nous avons l'AGEC qui est l'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique. Mm. nous avons aussi les scouts de l'environnement qui nous ont accompagnés depuis le début de la depuis le, début de l'organisation mm. euh, jusqu'à la marche. En tout cas, nous profitons de euh, ces débats pour les remercier. Et on vous assure que c'est pas euh, la dernière marche d'autres marches euh, vont suivre parce que, comme je l'ai dit, notre mission ne s'arrête pas. Elle vient juste de commencer. Euh, Rabi, quel est le bilan que vous vous tirez après avoir participé justement à cette, à cette grande marche pour le climat en tant que jeune, jeune citoyenne et en tant que membre aussi des scouts du Niger. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était une réussite Il a déjà presque tout dit, mais je dirais que le bilan vraiment c'est la conscientisation de tous parce que lui, il a reçu des messages, mais il n'était pas le seul à recevoir. Mm. Beaucoup en aparté nous ont, nous ont approchés pour nous féliciter par rapport à notre engagement dans cette lutte citoyenne. Mm. Et aujourd'hui, c'est déjà une réussite pour nous. Nos jeunes aussi qui ont participé, ils savaient peut-être qu'il y avait un principe euh, social qui, qui mettaient en avant l'intégrité de la nature, mais ne savaient pas, franchement, ne connaissaient pas le contenu. À travers cette marche, nous avons pu aussi apporter notre part en éduquant nos jeunes scouts, mm. en leur faisant comprendre que leur action ne s'arrête pas seulement à être des bons citoyens dans la parole, mais aussi des bons citoyens dans les actes. Mm. Et ça, c'est un bilan vraiment positif. C'était une réussite. Alors, comment maintenir le cap euh, n'est pas tombé justement tout à l'heure vous avez dit il faut que pour vous vos attentes c'est que vos actions cet engagement ne soit pas vain alors comment garder le cap pour euh, aller de l'avant pour que conscientiser davantage euh, des Nigériens à prendre conscience des enjeux du changement climatique et à la, de la préservation de l'environnement Comment garder le cap C'est vraiment redoubler, redoubler et encore redoubler d'efforts. Mm. Nous ne restons, nous n'en resterons pas là. Nous allons agir encore plus. Les marches, il y en aura toujours. Mm. Nous allons suivre l'action au niveau mondial. Nous allons nous aligner par rapport aux autres pays. Les Fridays for Future, nous allons nous y atteler pour que ça soit une réussite, pour que ça soit la, le début d'une le début d'une lutte constante aussi au Niger. Alors, Mohamedou, Mohamedou Awal, eh, pour que cette lutte aussi porte ses fruits, effectivement, vous l'avez évoqué quelque part, notamment euh, ces décideurs, ces personnes qui prennent des décisions en tout cas. Et, eh, pour vous, est-ce que la durabilité et, la réussite des actions euh, du genre, de ce genre que vous avez organisé, eh, n'est pas aussi liée à l'adhésion des, des politiques est-ce que vous, vous cherchez cette adhésion on a en tout cas toujours eu le, soutien des, autorités politiques. Euh, je me rappelle quand on avait organisé la première, euh, en tout cas, mobilisation, euh, on avait été reçu par le ministre de l'Environnement et qui, pour cette deuxième mobilisation aussi, nous a apporté tout son soutien. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement nous suit, le gouvernement s'intéresse à ce que nous faisons. à chaque fois, nous avons des promesses que nos messages seront transmis, en tout cas seront transmis au niveau des conférences internationales pour que nos préoccupations, pour que les préoccupations de la jeunesse nigérienne euh, en termes de préservation de l'environnement puisse euh, être en tout cas euh, prise en compte. Donc nous avons vraiment ce soutien-là de la part de nos autorités. Peut-être je vais revenir sur un point pour la durabilité de ces actions. Et moi je pense que chacun à son niveau peut continuer à faire les sensibilisations, à adopter des actions, des comportements éco-citoyens tout ce que nous sommes aujourd'hui peuvent apporter quelque chose, peuvent faire quelque chose pour lutter contre ce réchauffement climatique. Tous ceux qui ont été à la marche ont compris les messages. je pense que c'est des messages qui vont en tout cas guider nos vies. C'est des messages qui vont en tout cas être des principes pour nous, pour sensibiliser nos pères. Et moi, un message peut-être, Rabbi, un message si aujourd'hui il y a des filles euh, qui qui vous écoutent, parce que je suis sûr que euh, <laughs> beaucoup de, jeunes dames ne, s'intéressent pas peut-être à ces questions. Si vous avez un message particulier à donner à l'endroit euh, de, ces personnes, pas seulement les jeunes dames, hein, mais euh, des jeunes enfants en tout cas qui nous écoutent, peut-être. Alors, mesdames, messieurs, à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, le message que je tiens à faire passer, c'est que le Niger nous appartient. Le Niger n'est pas seulement pour les autorités. Le Niger n'est pas seulement pour ceux qui veulent bien. Le Niger n'est pas seulement pour les décideurs politiques. Le Niger, c'est pour tous ceux qui veulent bien agir. Mm. Quand quelque chose ne va pas, nous nous devons de mettre la main à la pâte pour que ça aille. Aujourd'hui, nous devons tous être unis pour lutter contre le dérèglement climatique. Merci beaucoup, Rabi. Peut-être que Awal, vous voulez ajouter quelque chose? Et on invite en tout cas tous les jeunes associés de l'environnement de nous rejoindre au niveau des associations, que ce soit JV, que ce soit d'autres associations, mm. parce que c'est un combat commun qu'on est en train de mener. Voilà. Merci beaucoup à tous et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le thème La marche pour le climat au Niger, bilan et portée de la marche. Voilà, nous l'avons compris, euh, la question du changement climatique n'est plus du domaine du mythe, c'est une réalité. En témoignent les conséquences fâcheuses que nous vivons ces dernières années relativement à la pluviométrie et ses conséquences. Une prise de conscience générale est en train de se faire avec l'implication des jeunes, des personnes âgées et au l'a vu pour le cas du Niger, celle des syndicats d'enseignants. Parce que, comme l'a souligné nos invités, la sauvegarde de l'environnement passe par des valeurs qui doivent être enseignées dès le bas âge. Nous étions en compagnie de Hassani Idirabi, jeune scout du Niger, Mahamadou Awal, membre de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, et Alio Hassan Samna, vice-coordinateur de l'International de l'Éducation, section du Niger, ISNI. Présentation à Hassan Kouzi Mahamadou et la technique assurée par Issa Lawali. Merci.